vu de vous retrouver cikin shirin ku na matasa de studio Kalangu ke sarrafa muku a kowane ƙarshen mako. La est toujours aux côtés des jeunes et de leurs préoccupations et cette fois-ci c'est bien calé à la cité de Jarmakoy, à 139 km de la capitale, à Jahar Zanamuhira Zamuhira de Mmata, Masana ou Insanakan, entrepreneuriat Et c'est à l'occasion du mois du consommant local dans l'espace où Watan Onfani de Chimaka, de Kayakin à Akisarafa, On Tsawon Kwanaki Biyar Matasa, Sukataru à Doso pour la sixième édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes sur le thème Promouvoir les domaines porteurs. FONAF 2022, ce sont 4000 euh, participants. Des exposants venant de toutes les régions du Niger, Ambas Horo, Musakanta Yarda, la Nasu, Dakamanensu, Abon, Gonisha Awa, Kanji Kikukeso, Kayan Ado, Ko Abinci, Matasa Zagi Damsi, Chicken Business Kinsu kowane na kokarin nuna fasahar shi mais comment évolue-t-elle dans cet univers concurrentiel yaya suke tsara al'amuran kasuwancin nasu da irin gudunmuwar da suke samu et eh, à quel défi font-elles face dans l'environnement de l'entrepreneuriat au Niger. Da mu ji daɗin hira yau fara tamu muka gayyato Zainab Até, dit Denise, de Denise A. Ah. Denise, ça va Bonjour. Dadawa Ça va, bien. C'est Dosso. <laughs> On est ensemble. Inch'Allah. <laughs> Mon adar de Halima Adamou, de Lim Épice. Halima Kamia, arôme. <laughs> arôme naturel. Ta fornoa gari, kai ba abin da ban gani ba a wannan stand kin naki ya kike halima masa ba da dama wallahi sai to ya kasuwal alhamdulillah to sani da zabu kan shimtu salafada muna tare da Haruna Magaji Aishatu elle est de la page de l'association pour la protection et l'accompagnement de la jeune fille de Merci. belles perles de jolis sacs en perles des boîtes en perles ça va vous allez bien ça va alhamdulillah soyez la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada Merci. nous avons avec nous avons avec nous Salifou elle elle est de El Ramsès Arôme naturel à base d'oignon. C'est la spécialiste de l'oignon. Ouais. <laughs> Eh ben, normal, tu viens de Tawa. <laughs> Vous en avez de l'oignon, vous pouvez vous le permettre. Nous, on ne peut pas, Nyami. Hein, <laughs> nous avons avec nous des jeunes qui aimeraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Obeida Souley, elle est élève en première. Ça va, Obeida Ça va. est là là hello. Nous avons avec nous euh, Safia Issa. Elle, elle est dans la couture. Yanzu, kun san muna da Donc on aura la musique, la rubrique est rose sur la fada et la chronique du Miss Olivier. La stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, SNPEJ, a été adoptée en septembre 2019 afin de contribuer à la croissance économique inclusive par la création des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries des jeunes innovantes et compétitives har tsawon shekara goma da 2020 a 2029 tsarin wannan na gwamnati yana da gurin taimaka ma matasa don su ga armashin sana'o'insu shi yasa muka ce bar mu leko nan funaf mu ji irin ci gaba da ake samu a wannan fannin na rayuwar matasa da ni zanu hara da ke da fara ina son in leka bangaren duka wa'annan alkawallukan da aka ɗaukan muku da magabata suka ɗauka don ganin sana'o'inku Le dispositif institutionnel et réglementaire est-il en votre faveur Bonjour, je dirais oui. Je uh-huh. dirais oui, à part Hadline qui organise FUNAF, il y a aussi le Superman qui est là. Il y a aussi celui-là de ma chérie, c'est quoi elle disait à page a mhm. page. Donc, il y a beaucoup de structures qui sont là juste pour les jeunes. Donc, on peut dire que ça va maintenant. Et c'est si facile euh, pour, tout le monde? kakanda duni sike nan tana zancen institution de ofishi de association tu as aussi euh, c'est aussi facile pour toi aussi tu as accès à tout ça eh, eh ina cikin su okay association des jeunes mm. kuma gafo na kuma ta kawo mu da su okay ken dana e da dama da dama wala alhamdulillah sur ce plan là D'accord. On va revenir vers une structure qui est avec nous, qui accompagne les jeunes filles. L'association, donc euh, c'est à page euh, donc nous avons des domaines d'intervention à savoir droit et liberté de la jeune fille, environnement, éducation, les activités génératrices de revenus, l'agro-business. Et donc, euh, c'est une association volontaire. Nous avons le soutien des, des autorités et institutions. Des fois, nous, nous avons même des financements. Nous sommes soutenus par plan international, ainsi qu'un partenaire américain, JFF, Girl First Fund, qui nous appuie aussi dans la mm. création de nos gadgets que les filles peuvent revendre. Donc nous formons gratuitement ces, ces jeunes filles-là. Et celles qui ne sont pas à l'école aussi, si elles aimeraient étudier, on, on les réinscrive à l'école. On va aller direct à la deuxième question. Dans quoi les jeunes femmes entrepreneurs nigériennes excellent vraiment cikin wani sana'a ne kuke kuka hi kwarewa zan dawo wajen ki ramatu el ramses c'est pas le premier fonaf auquel tu es, tu assistant oui tu es plutôt aux côtés des jeunes entrepreneurs aussi to gaskiya mata dai abinda suka hi kwarewa da shi aikin hannu hmm. shi mata sosai suka hi kwarewa da shi tun da duk wani abin da aka ce mace yanan kun san dai sai ayi baton aikin hannu aikin hannu yana kawuwa da yawa yana badawa ciki tunda yanzu kuka ganin mace tana aikin hannu kai tsaye ma kakin mijinta ya bata wani abu da ya har ta yi makanta kenan sai a ce yayi an gode ma Allah mm. kuma maza ma yanzu suna samun sauki bisa harkar tahiyyar da gida kuma naga kuna cikin harkar ci maka gaba ai kullun karuwa ne yake saboda yanzu kana ganin mace ai tana nan ga yin transformation ya sa ai ci gaba ya zo tunda da abinda muna ganin shi kasashen waje yanzu gashi har ya zo a gida Niger mhm. kenan abu ai ci gaba sosai ne yanzu zan zo wajen 'yan matan wannan wanda suke tare da mu ku nan kun zo funaf kun zo kun diddi ba na ga ɗazu kuna ɗan yayyawatawa kuna lallekawa abin da ake ina so in sani kun ga kamar su opportunity kun ga abubuwan da suka baku sha'awa da kuke so ku shiga a cikin su zan zo ranki kike da yake elevi ce <laughs> ubaida kin ga abin da ya birge kinan da irin sana'ar kike so ki shiga cikin ta kin gani anan ga eh nan ga masha Allah gaskiya Allah na gani sana'a tana zuwa tana da kyau mhm. zan so ni ma a ce ina irin ta Wace ce? Sana'a duka dai ta hannu ce na ganan gana yi abun da ya shafi turawuka da sauransu. Ke me ya birge ki? Wani abun ga dinki ya birge ni zuwa da sabuni duka suna birga ni. Okay, dinki da sabuni. To na gani na tun ɗazu kina ce min kina son ki shiga ciki mine ne ya hana ki har yanzu baki shiga ba? Ah? Me ya hana ki har yanzu baki shiga Ko karatu ne? A'a. Mm. Kamar yanzu in kun ka ɗauka wajen sabini na shiga ciki. Tun da hafa masu na yi saman shi.

Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, dans la rubrique rose de ce samedi, nous aurons quelques astuces potées avec de la poudre de chez B et ça sera avec moi, Fanta. Puis avec moi, Rookie, dans l'espace santé et bien-être, nous découvrirons comment soulager les maux de gorge. Enfin, avec moi, Marie Mankizi, nous allons voir comment utiliser l'eau de cuisson du poulet ou bouillon de poulet. Coucou les filles, c'est Fanta, bienvenue dans cet espace beauté de la rubrique rose. Alors ce soir, je vous parle des vertus de la poudre de chébé. Le chébé, c'est une plante cultivée dans les montagnes rocheuses du Guéra au Tchad, mais que vous pouvez trouver un peu partout ici au Niger. La poudre obtenue à partir des graines fortifie et favorise la pousse des cheveux afro surtout. Aujourd'hui, je partage avec vous deux façons parmi la multitude de manières d'utiliser cette poudre miraculeuse pour la pousse de vos cheveux. Première option, vous allez d'abord mouiller légèrement vos cheveux. Ensuite, vous prenez un pot, vous versez la poudre de cheveux et ajoutez l'huile végétale de votre choix. Mélangez-les très bien. Enfin, induisez bien ces mélanges sur vos cheveux et votre cuir chevelu. Vous pouvez soit les rincer après 3 heures ou les laisser telles quelles si le produit ne vous dérange pas de toutes les façons c'est zéro effet secondaire. Seconde option, celle-ci prend juste un peu plus de temps que la première, mais elle reste aussi super efficace. Pour ce faire, il faut d'abord mélanger la poudre de chébé avec l'huile végétale de votre choix. Ensuite, laisser macérer ce mélange pendant au moins un mois, puis filtrer. Et enfin, faire un bain d'huile avec le produit obtenu. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Salut, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la saison des pluies tire à sa fin et juste après, c'est la saison froide. Et qui dit saison froide dit soulèvement de poussière et des températures assez basses. Et ce changement de temps peut nous causer des rhumes, de la toux et des maux de gorge. Ce soir, nous allons voir comment soulager les maux de gorge. Le traitement médicamenteux repose sur la prise d'antibiotiques. Mais si vous ne supportez pas la prise des comprimés comme moi, je vous propose des astuces avec des ingrédients que vous pouvez même trouver dans vos cuisine. Le miel est le premier remède de grand-mère utilisé contre la gorge irritée. Mhm. Il y a des vertus apaisantes et même antiseptiques pour la gorge à la tapissant et à l'adoucissant. Il permet également de calmer les toux sèches et de faciliter l'expectoration lors des toux grasses. Pour cela, prenez juste un verre d'eau chaude, ajoutez-y un jus de demi-citron et du miel et voilà, votre tisane est prête. Le deuxième produit, c'est l'ail. Consommez de la soupe à base de légumes ou de poulet, avec bien sûr beaucoup d'ail, d'herbes et de légumes. L'ail combat l'inflammation et renforce le système immunitaire et le liquide chaud soulage la gorge. Le troisième produit, c'est le gingembre. Le gingembre évite la contraction des voies aériennes et il stimule également la sécrétion du mucus. Les antioxydants qu'il contient inhibent les toxines présentes dans les voies respiratoires. Pour l'astuce, il faut commencer par peler un petit morceau de gingembre frais avant d'y saupoudrer du sel, mâcher pour avaler le jus mais si vous n'arrivez pas à vous résigner à avaler cela parce que c'est difficile, il faudra alors faire bouillir l'équivalent d'un verre d'eau avec euh, plusieurs morceaux de gingembre et une pincée de sel. Il faut attendre que le volume d'eau diminue de moitié avant de boire la solution. Et c'est tout pour euh, cet espace santé et bien-être de ce soir. Coucou les filles, c'est Mariam de l'Astuce cuisine de ce soir. Nous allons parler du bouillon du poulet. À ce qu'il paraît, ce bouillon, nous pouvons l'utiliser dans nos cuissons pour avoir un goût meilleur. Pour plus de détails, écoutons notre blogueuse culinaire Jim Makadija, qu'on remercie encore de nous accompagner sur cette rubrique. Souvent, quand on fait par exemple du yassa au poulet ou du poulet au four, surtout quand la chair du poulet n'est pas tendre, on fait bouillir le poulet légèrement avec des épices. L'eau de cuisson du poulet n'est pas agitée. Cette eau regorge tout ce qui est arôme, tout ce qui est jus, tout ce qui est goût du poulet. Et c'est ça qu'on appelle le bouillon. Ce bouillon-là, tu peux l'utiliser après. Tu le conserves au frigo. À chaque fois que tu fais une sauce ou du ragoût ou du riz au gras, le bouillon là, au lieu de mettre, de rajouter de l'eau dans ta sauce, tu utilises le bouillon. Ça va donner du goût et ça va apporter une certaine saveur à ton plat, le bouillon du poulet. Et ça va t'éviter d'utiliser ce qu'on appelle chez nous arôme C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Le prochain rendez-vous est pris pour demain. Bye bye. kid. I love my life and my public. first and can't forget to stay real. To me, it's like On revient à la FADA aujourd'hui installée à l'arène des luttes de Dosso. C'est le FONAF, c'est la sixième édition et on profite pour discuter avec les jeunes femmes de ce qui est cikin harkan aikin hannu, ce qui est inséré c'est ce qui est ɗinke-ɗinken Mihira Mun zo de hira chicken ya suke aikin nasu wata dama ce suke samu menene kuma matsalolinsu a wannan fadar muna tare da zainabu ate euh, denis de denis r halimatu adamu de lim epis haruna magaje château de la page nous sommes avec euh, Obeida Souley elle est élève en première en classe de première nous sommes avec Safia Issa elle est dans la couture elle Ramatu de El Ramses zan Denise gaba da tambayoyin nawa to denis zanzo janku denis r yani kuna sana'a kuna samun abin hannunku oui ça va parce que muna samu ya la clientèle vraiment le besoin est les gens sont zawa ana musu portrait. mutane na zawa ana musu aiki kenan sai mu alhamdulillah malgré que au niger mutane sun so su siyo kaya daga waje da su saye wanda zak, un tableau tablo wanda est ka yi da hannunka plus joli de wanda za a hudo cikin mashin kullum muna nan muna kwatanta musu sun har gane kenan sai alhamdulillah ok c'est bon sun har gane consomment local voilà d'accord page cikin formation vous avez l'impression que ça ça évolue ça elles s'en sortent dans, dans ce secteur vous avez tout à l'heure vu les, les, sacs à main mhm. et porte-clés. Que j'ai d'ailleurs acheté. <laughs> <laughs> et nous vous remercions. Donc, c'est la formation, ça a été lancée juste euh, pour un mois. On a juste pris des filles comme ça, gratuitement. Et élèves euh, non scolarisés et aussi des mamans désireuse de faire la formation. Au début, c'était juste pour former 30 personnes, mais on est allé jusqu'à 60. Ah ouais. Et pendant un mois, je vous assure, il y a d'autres. Il y a une là, elle a même maîtrisé plus que la formatrice qu'on a. Machallah, machallah, ouais. <laughs> oui, parce qu'au au fait, il y a l'amour euh, de la chose. De la chose. L'épice, c'est comment Les épices sont ensemble, Ah bah, sont ensemble, Ok. yani mutane suna sayi masu suna duddubawa wasu mm. suna cewa sai sun dawo su sai kin ga tomat concentrate ga yanzu mutane sauran ba su gane sauran sun gane gwara son tomat wancan ake kawo najeriya ana sa mishi furodi shi ko wanga ba a sa mishi furodi wanga lahiya ce mm-hmm. muna yin garin tafarnuwa ina yin carrot na gwangwani macedon irin wannan eh, kamar macedon eh. ta gaskiya an ba dama ina yin shi kenan wancan na gwangwani ba san yadda ake yin shi ba ana conservation shi kenan wanga wani bi mutane sai an dan waye musu kai ok eh akwai dan saura har yanzu mm, akwai dan saura eh. mai sa avance eh akwai dan saura d'accord zan zo janki rams quand je vois comment on consomme l'arôme en cube ici, là, dis-moi, ton arôme là, c'est bon, ça rentre. Les gens, ils, ils, ils viennent tout doucement vers l'arôme naturel ou Eh, gaskiya dai ke mutane da yake ba wani sanin shi suka yi ba, kamma in mutum ya zo ma sai da ana waye man mutane kai biskan aran mashin ga da muke tunda akwai wanda ba su ma konsumi. Yanzu in suka gan shi sai su ce a'a su ba su konsumi aron ba su son shi. tunda suna paske da sun zo masu ka taba suka lasa sai su ce a'a an sa aram ciki shi kuma babu a'ram mashi ciki mm. kawai albasa ce albasa ce saboda kun sa albasa tana da gu kuma tana da unhwani cikin jikin mutum albasa ko haka nan kake cin ta ma tana da inganci cikin rayuwarka sai wai an tai wani a tai aram mashi ko wani abu to ina fata ga Allah sa su mutane su gane da su dawo gida Nijar ga matasa Allah ya bamu fasaha kuma a gwada ma 'yan nijar da aram kinan da muke ci ba mu san ba ina ake yoshi mm-hmm. ba mu san abin da ake yoshi da shi ba ga wanga namu ne albasa ce kowa yana nan ga yin shi mm. kama abin ga albasar da ake biya ce babu wanda ya kan production ke albasa a nan ga kuka gani albasan ma walakaita ta ake yi tun da ba mu iya yanzu albasa ko ai produr bakin wannan ne ake hiddawa sai a yadda wancan kunnan nan da itatuwan nan da filarkin ana yada su su kuma su ne unhwani su ne ma kamshin su ne unhwanin albasa don hmm. saboda in mutum to da su ne ake yin aron da kuka gani in mutane suka zo na basu suka taba masha Allah suke cewa na ta buza na koya ma mata wajen kilo ɗari da 200 da wani abu dai daga tawa kuma na ta garhanga wajen tarwadan nan dun na farmen mata saboda ce in kuka gani albasa ce suna yin ta ne amma ba su san muhimmancin ta ba saboda jaka suke bawa wannan kunnuwan da muka gani mu kuma a lorke ga muna mu muna nan muna son ta muna aiki da ita ni abun nan yana mini zahi na ce bari in she tunda na samu finansaman ga unicef na samu na zama loriya na ce mhm. an bani kuɗin nan to kuɗin nan da aka bani bai in servir da su in je su ma in koya mu saboda ni ma koya mini aka ban biya ba kenan in shi in taimaka matan nan da suke cikin garin tun da mazan su suna production kin albasa kenan su kuma wannan kunnan nan da sauransu su rinka aiki da su su matan su samu mm. to zan zo wajen ki safiya isa safiya isa ke kina cikin harkan dinki. tun ga yanzu ita rera mata ta samu finansman eske cikin eh, harkokin ki da kike yi cikin abin da kike yi kin samu wani dan taimako hakan ga ko an gaya miki ga inda zaki ta ki samu taimako gaskiya ga ba a gaya min ba amma dai ana aiki ina dumki ina saƙa duka amma dai da yake dai abin sai a hankali ana dan yi dai ana ɗan tattaɓawa babu ɗumkin da ban iya ba mm. amma da yake ina da tela da yake ta ɗan samu matsala to ɗan aikin sai ya tsaya to babu hali bari a sai a ci gaba da aiki ok ina ne kike daga ina kika hito ki kuma daga can ta daga ta malbaza a ah, daga malbaza ok mm. za mu jin dai akwai structure in accompaniment eh, can da kuke iya kwatanta musu Denise inda za su iya tahiya za su samu taimako kun gane wa'annan duka moi je suis ambassadrice na eve entrepreneurial na mhm. mai na si a ma charge in samun sa inda za ta yi ta gani ko to hinga daga nan <laughs> fina ne mu kamo su mu je mu kai su inda za su samu abin finan sama yanzu ga kiga <laughs> da ni yanzu lore a yin fona yo ba haka ne ba yo na shi tace ana ma nan ga farmen suna forme ni abinda nake so diplom ne nake so in samu eh ni diplom nake so na na abin da me ke da suna na sa le resultat de la fada sa ko ma skera ku bita ni yanzu nan da kuka gani nan ga gaskiya ina so in samu diplom kwakwara wanda yau shaida ne gashi a ce mini formatrice baske wannan da ake bamu a attestation ne na participation saboda miya matsala in yau kana da abun da zaka yi ma in baka da kayan aiki matsala ne kin san za a yi dakata matsalar wannan ta karshe ce yanzu ku gaya min wacce music za mu sawa vraiment qui encourage la jeune fille dans, dans ce qu'elle veut qui lui donne du pouvoir de l'assurance on va écouter Mata de Soga. ça, c'est un big up qu'on lance à toutes les jeunes femmes euh, désireuses vraiment de se lancer, de d'oser, de se lancer dans l'entrepreneuriat. On leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès. On écoute Mata de Soga et on se reprend juste après. Voilà, c'était Mata de Soga. On revient à la FADA aujourd'hui installée à l'arène des luttes de Dosso. Nous sommes aux côtés des jeunes femmes entrepreneurs, celles qui sont dans la formation, celles qui veulent bien se lancer, celles qui ont des soucis. mu je kawai yanzu gaskiya da yanzu a ramkinan da nake na yanzu in ku gani akwai lamti ciki ina samun matsala wurin in na ta yi mashin wurin niƙa shi sai a ce ba a niƙa mini shi ki sai na sha wahala kakin in samu in samu mashin kidda ake nika mini shi amma yan san samu ne ga yayin da nake so fa in ina samu wani partner da mine ne ma wannan sunan kungiyar ta fash ina ina ina ina neman <laughs> tallafi ni ban so kuɗi ni abinda nake so a so min kayan aiki a bani ina son mashin kin malkaɗe da mashin kin niƙa to ni an ka so min shi to ni a fash ko komi take ta gyara min komi <laughs> ta kare min komi in na hau in kama rawa ina daddakawa saboda mi na shi dadi an so min wannan kaya sai ah, a bar ba jakkai albasa a bar ba jakkai albasa saboda ni na yana baci ina fan ina aiki da ita kuma ana ba raƙun ma ita saboda Allah ku diba min wanka bai yi ba amma sai ya samu wani abu ina ka abina ne in nika shi komi in ashe abuna ina product kin shi yanzu in ashe amma rashin wannan wallahi yana min matsala fi sibilla yana ya zama sai c'est parti hey. Eh. page là et eh, banda ita ma kuma mun shi a wata mata shi ina ina ina nan kuma ina ta roko gare ku kuma a ta station wannan ta abun da har mu yi formen ki mana eh gaskiya ni forme wannan ba matsala ni ko na nawa ne in ba dai in bar gida ne in zo ba akwai nan biron mu nan gane doso doso yake me muna intervenir uh... Tawa, oui. Eh. la beri de Niamey. Ah, tawa, e ni Donc ça sa est, c'est parti là, c'est parti là. Lim. Zan zo wajen Lim epis. Ya Yaya ne? Da ma wallahi. Ina so in san matsalolin naki, ɗazu kamar kin hara zancen su. Cikin harkar wannan sayar-sayar naki, me matsalar da yake take cimkito a ƙwarya? To matsalar da abin da ke rage miki karhin guwa. <laughs> Abin da dai ga rike mini karhin gwiwa dai wani bi. yanzu wani bi kasuwa sai ta yi shuru wani bi kuma sai ta tashi birni ka oga <laughs> kin gane ina son kome yanzu mutane sai su zo yanzu sai ka ce musu ga tomato concentrate na sai ce a'a su ai ba waccan ta gwangwani ta ba saboda ba su ga waccan da ake kawo da Najeriya ba eh sai su ce ba ɗaya ba ne su ko ba san waccan ta hilahiya ba waccan produce ke sa mata nan masu eduwar na karot ba ɗaya ba ne shi ma wancan na gwangwani wanga da hannunmu ne muke yin shi mu da kan muna muke sarrafa shi kuma sai wuri mai tsafta to can baka san yadda ake yin shi ba sa'an me yake ce ina yin dambu alkama ina garin alkama ina dambun masara ina garin masara ina karot sheshe wayan sheshe ina yin garin ɗan wake ina yin tanka Piment rouge ina yin shi ina yin mai gida <laughs> <laughs> tsalle ce sont des petites confiseries à base de lait oui c'est des bonbons nigériens ou je dirais nigéro nigérien <laughs> ina yin garin tafarnuwa ouais donc au fait in aka shirarita kaman a mutane za su yi su gane yana kuke sarrafa kayan naku don su samu su yarda da aikin da kuke kina da wannan matsalar kema don su san cikin ya ne kuke eh kamar yanzu mutum iya taho zai sai iya tambaya ya ake yin shi muna gaya musu duka yadda ake yin shi eh muna gaya musu duka mm. kuma matsala ta gaba kama mashin wadda nake yi malkaɗan tumati ba ni da shi yanzu in za ni ta yi mashin sai na ta yi mashin inda ake malkaɗe in ai malkaɗan wake sai na yi wankin mashin da hannuna don da iska na ya shiga in iska ya shiga cikin tumatir ba ta yi eh, sai na wanke ta da hannuna sa'annan a yi min malkaɗe in ɗauko ta bisa kaina yanzu. zo don har yanzu dai kayan aiki ka aiki a ba zan dawo to ala sai la formation cikin wannan mm, formation kina kuke ba 'yan mata menene ku eh mu mm. wani bi in ana formation kamar dai da normal mu yi forme 30 person to akwai wasu da ba su samu su yi formation sai zutiyansu sun bata eh. don ka sun yi reklame kuma cikin transa a 50 fam da mun yi forme ma akwai wasu da wasu kaya da ba su yi maitrize ba don sun ce in suna iya samun formation in ma bisa 3 haka suna so kuma muna da atelier de couture akwai mata suna son su kara koya dumkin amma kamar da atelier, mu c'est pas grand. Ok, <laughs> ok, ok. Mm. Donc c'est financé par plan. Comment Niger, c'est oui. Donc si on peut avoir euh, hmm. plus de un grand espace, un, grand espace plus de machines okay. aussi. Muna da kuma atelier de soudure. Mm. Et wanga mako quoi kai ok atelier de menuiserie bois c'est à Golé qu'on a fait ça D'accord. Donc vraiment euh, euh, le, matériel, l'accès au financement, l'accompagnement, la formation, ça revient. On retient ça que c'est ce dont vous avez besoin. il y a un réel besoin dans ce sens. On va se dire euh, officiellement au revoir juste après la chronique de Mr. Olivier. Salut les amis de la FADA. Pour ce début de mois, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de force, le trop plein d'énergie et beaucoup de santé. Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons parler des réseaux sociaux. Nous sommes nombreux, je dirais même très nombreux, à être présents sur les réseaux sociaux. Si beaucoup savent pourquoi, ils ont créé leur compte, euh, soit sur Facebook, WhatsApp ou Twitter. Dans la pratique, il y en a autant qui ont l'air de ne pas savoir pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, toi qui nous écoutes ce soir, peux-tu nous dire pourquoi tu as créé ton premier compte Facebook Qu'est-ce que cela t'a apporté de plus d'être sur les réseaux sociaux Penses-tu pourquoi tu dépenses autant d'argent dans les données mobiles afin d'être sur les réseaux sociaux Alors que nous savons tous que c'est très difficile d'avoir de quoi payer du pain ou du dambou. Vos réactions nous intéressent et nous serons heureux de vous lire sur les réseaux sociaux du studio Kalangu. Postez simplement vos messages avec le hashtag chronique d'Olivier. Nous poursuivons donc cette chronique en rappelant encore une fois aux uns et aux autres que les insultes, les photos dénudées, les partages des contenus sévères qui ne font pas du bien, ni à l'internaute qui est à l'origine, ni au lecteur. Amis auditrices et auditeurs, si ailleurs plusieurs programmes d'éducation aux réseaux sociaux naissent, c'est justement pour prévenir les jeunes sur les dangers d'Internet. Mais malheureusement au Niger, nous avons déjà plusieurs défis à relever. Donc cela ne paraît pas être à l'ordre du jour. Pour conclure, sachez seulement quoi vous écoutez sur les réseaux sociaux. Sachez quoi vous partagez sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce que nous publions aujourd'hui sera soit un argument de défense, ou une preuve de culpabilité dans notre monde de demain. Ça va vite, les réseaux sociaux, et ce n'est pas ça la vie, disait le rappeur Lefa dans son single Neo Life, sorti en mars 2022. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique, encore une fois plus palpitante. C'était la chronique de l'émission Tout à la Fada. Merci à vous. les jeunes dames dans le business dans l'entrepreneuriat kun ji hira da muka yi a muna na fada wa'annan matasan dai akwai kuzari amma suna so a kama musu in aka kama musu abin da za su yi gaskiya sai an gani kuma yanzu ma dai masha Allah za mu cewa a huta lahiya